hebdomadaire consacré à la jeunesse nigérienne tous à la FADA. Tous à la FADA et depuis quelques jours dans la capitale de l'Ader, Tawa, ville de Tawa et les Rogo, comme l'a si bien chanté Tal National. Aujourd'hui à la FADA, depuis euh, les dunes de la ville d'Ottawa où se retrouvent plein de jeunes, on est bien entouré là, on va parler de la consommation illicite des stupéfiants. Un problème qui mine la jeunesse nigérienne, et oui, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Des drogues et autres substances illicites d'une valeur de plus de 8 milliards de francs CFA ont été saisies en 2019 au Niger. Cette information est rapportée par Moru Amadou, le ministre de la Justice, garde de dans son message délivré à l'occasion de la commémoration de la 33e journée internationale de la lutte contre l'abus des substances illicites et des drogues. Nous allons présenter la situation dans sa globalité en déterminant les produits illicites consommés, leur impact, leurs conséquences et la répercussion sur la jeunesse. Les jeunes deviennent de plus en plus accros il y a urgence à intensifier le combat contre la consommation des stupéfiants et c'est ça la mission d'aujourd'hui à la FADA. C'est ça la mission de la FADA d'aujourd'hui. C'est donc une question de la plus haute importance. Quelle solution pour lutter contre la consommation des stupéfiants Quel est le rôle joué par les acteurs engagés dans cette lutte Et comment les jeunes peuvent contribuer dans cette lutte solution et perspective de lutte contre la consommation des stupéfiants Atawa. Ça sera le thème du jour. Tous à la Fadar, nous sommes partis pour 35 minutes d'échange avec ces jeunes de musique. Également la chronique de Mr. Olivier. Oli, ça va Oui, ça va, tranquille et toi La chronique d'aujourd'hui, ça sera Eh bien, on va faire un zoom sur euh, la liste des candidats autorisés à se présenter aux élections présidentielles. On va faire un zoom sur ça. D'accord À tout de suite alors. Ah bah oui, à tout de suite. Et bonne émission. Merci. Top, c'est parti. Depuis les dunes d'Ottawa aujourd'hui à la FADA. Nous sommes avec Mokhtar Moussa. Lui, il se débrouille comme il peut, Mokhtar. Coucou Mokhtar, ça va Oui, ça va, Rabi. Nous sommes avec Idi est Civicar, auteur-compositeur. Idi, ça va Je vais bien, alhamdoulilah. Super. Julien Issoufou, il est étudiant. Abdul Wahab, étudiant également. Moussa, Mamar Moussa, lui, il est enseignant. Vous allez bien, les gars Ça va Et Tawa oui, C'est bien va, ça va. D'accord. La première question de cette fada, ifo di fo no jeune ga fume ne yo da bayan dai di tabalala dai no yiga di ne tabalala bin des armes no bo bor kul kan sai tabalala wo bora ga bai kan harino kan siti wa ine lala wala da kini ne di kini follon ko dai kan bora go go so ga yo kini ya mo no gono comprime ya mo no gono kan yan furo kan inga no jeune ne ga han zama din koy solution hanyen ya Yodini, ingo daran son azabu bora hein? bora ha wiga di fonda bo imdiya agogi dirga challai sunsun ingan da madara madara yan wakulu ne di so har madara in madara koy ne eh, madara gono suku da irano ingo ah, iga ka kan get da lede zu kware ira formal loading hai Ingo no jenna igi so bai gidai di dai waran ko bon to planet for <laughs> me bara ku fata mondu bara ku fata ulare tu mondu ko ni ne fa wonu man mai ko planet ni mondu abo planet to dinu salman ni bai nigi ba ni man bai ga koi in kun bor singi ne ni man bai ga koi zaman tanke Jeune ni gene hadi bobu yango na kanka dai dinni o me borgi tante gadi dindi dai ni bon sai hayaste ni sai walmo hayo agogi ni deturir a sai ah, talla ni gini giye ka ni lakkala iga kwa don ka n'o kan borai bayan okulun kundin gun niger aigin gine ni se 95% wo kulu bore shi koy bon ko bor kul kan <laughs> no ni gogi di bora gogi di da mo koy dai ni wono bonni wo <laughs> ni za kan no go ah, ni sibe kan no go bora bo mora re gibin mama an gonda labarin nan kan haiwa yo gofun bora sai ka to wallahi ayo ai sini kine kan aigi bainon kan eh, taba gogo fatta. wala comprimé wala comprimé kinini zai oh. amma ikan na gin kici Eh, jenesu kan rani irgo irgo gona irgo ga matki go te ka o irgo ka irgo ki gunanda da mm. mai wai gundai wazan dai gine wazan kan inda mm. irge famu cerse ago kai faman da kan ayadin kai ni zo dinga gunda sajo yin gin ka farsi ke bisa ci ni bin inga samu rai kul donc ka donc kenan herano kan aman himanda lay ouais, lay ouais, lay ouais, lay aman himanda toi maman merci néo moi non femme d'ici parce que question elle me tient à cœur quoi man no haya go fur kabor ici moi non gon euh, information wadimbo vraiment les euh, drogues c'est un problème crucial aujourd'hui ouais. parce que si on le prend Tawa mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, si on le prend, Tawa est une ville qui. Carrefour, carrément. Oui, c'est une ville carrefour qui fait frontière avec le Nigeria. Et on le sait tous que le Nigeria, sur le marché commercial, c'est un pays qui, là-bas, on fait, on fait du tout. moi, je pense que les produits là rentrent via le Nigeria et puis les jeunes s'adonnent à la consommation de ces drogues-là. À part cela, mhm. et aussi, il y a une drogue là qui nouvellement prend de l'ampleur. Ah ouais C'est le sirop. Sirop Sirop, il y a un sirop là destiné au traitement du, du rhume. On l'appelle Voilà, Exi. Les jeunes, prennent ça. pour on apprend des choses sur la fada. Euh, <laughs> <laughs> ouais, ouais, c'est ça l'importance de la fada, franchement. Moi, j'étais étonné un jour, j'étais venu à la fada, j'ai posé une question à un camarade, je lui, je lui ai demandé s'il va bien. Hmm. Il était en mode lenteur. Il faisait comme ça. Comment il était carrément sur mode lenteur. À l'ouest, quoi. comme on le dit. Imaginez que c'est vraiment une drogue qui prend de l'ampleur maintenant. Siro, exit, t'as dit non Beaucoup, oui, oui, exit. Toi? Ah, Avant-hier, on parlait même eh, à l'école, eh, ici à l'université, dans la salle, avec des camarades. Hmm. Ils m'ont dit que maintenant, il y a même des hautes personnalités qui s'adonnent à, cette, à la consommation de, de cette drogue. Il drogue. Les jeunes là, c'est qui ces jeunes là qui consomment C'est plus où que ça se fait ça oui, comme il le disait, c'est un phénomène qu'on rencontre un peu partout. Si auparavant c'était auprès des, dockers et autres, ceux qui, font, euh, qui sont dans l'usage de la force réellement pour travailler, aujourd'hui ça gagne même nos écoles. Les jeunes du collège, souvent, très souvent. Oui, du collège au lycée, vous les voyez souvent dans, un coin bizarre et quand vous observez très bien le comportement, vous voyez une bouteille qui est à côté. C'est ça et autres drogues. Et c'est surtout ça, euh, aujourd'hui, le danger d'aujourd'hui, que cela gagne même nos écoles et sortie des quartiers périphériques ou bien euh, des marchés pour venir même dans des écoles, que ce soit pour les médicaments ou bien pour, euh, oui, pour la chambre indienne. Ça gagne les écoles, <coughs> ça gagne nos rues aujourd'hui. C'est dans nos maisons, c'est nos petits frères, c'est des amis, c'est des parents comme mhm. il le dit, c'est un phénomène réellement, vous ne pouvez pas savoir qui le fait et qui ne le fait pas. Mais vous pouvez surprendre tout le monde. C'est oh un peu ça le phénomène. <laughs> Mais ce qui est un peu plus crucial, c'est nos collèges, nos enfants, nos petits frères, nos maisons surtout. Donc, euh, ça gangrène un peu partout. Si auparavant, on rencontrait ce phénomène un peu dans les marchés et les périphéries, réellement, dans des quartiers. Maintenant, c'est partout, quoi. La population y règne, maintenant, partout. Idibor Mouladi, dit, vous l'avez entendu, c'est partout. C'est important qu'on en parle sur la FADA. On va revenir avec nos invités sur cette thématique qui euh, tient à cœur vraiment à la jeunesse, à la population, la plus jeune. Il faut en parler, on doit en parler. Mais avant cela, on va aller écouter euh, Dandy cette fois-ci dans la rubrique. L'artiste s'exprime. Avec quel artiste il s'est exprimé et on se reprend juste après. Chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux. Le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Nuflo s'exprime. Vous vous rappelez certainement de cette très grande formation qui fait la fierté de l'ADER. On les a reçus hier sur l'émission Franco Aoussa du studio Kalangu, Fada. On a parlé en question de Tiblaza, Europa, Baiboulala et Aranbi, Zanche. Aujourd'hui, sur ce temps que nous allons parler non seulement du parcours en question de ces combattants, mais aussi des projets de cette très grande formation. Tiblaza, comment tu vas je, vais très bien, je Toujours en forme, toujours en forme, c'est ça Tu pètes la forme Tu t'es réveillé bien parce que tu veux te réveiller. Je, ne sais pas si tu, as encore pris ton thé ou ton café. Hein? Il faut que tu te réveilles sur cette émission encore, mais ça va. Ça va, super. Alors, est-ce que tu peux me faire déjà quelques flots sur l'émission pour qu'on puisse bien évidemment aussi réveiller les autres jeunes ok, qui kiffent l'émission tout ça la faire. Est-ce que tu peux nous réveiller avec ta voix magique Parce qu'aujourd'hui on va parler de cette voix et des autres voix. D'accord, il n'y a aucun souci. Donc euh, je, vais rentrer dans une, quelque chose qu'on a fait, ça fait pas longtemps. D'accord. Et ça parle de, de la jeune fille qui veut se marier, ses parents, voilà. Ok, super. <laughs> Donc euh, ça, vient. Ok, super. Alors, pas de souci. On, lance, les flots. L'assaut lancé. Yaria aureta Keso. Aureta Papa da maman. Aureta Keso. Belai aureta keso. Aureta keso coberta da sabi mishinta da canta. Uau. Aureta keso kubarta ta sabi mishinta da canta. Papai Papa na capa, Chimi chimi chimi chimi. Igei na capa. Papa igei na capa, Mama igei na capa. Uau. Wow. Là, c'est même pas encore sorti. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bien évidemment, des albums, des sons, des vidéos qui sont disponibles de la formation Nuflo. Alors, Tiblas, est-ce que tu peux déjà me parler un tout petit peu eh, de votre premier album bon, hein? Comment est-ce que vous l'avez, euh, n'est-ce pas, réalisé C'est important sur cette émission. Notre premier album, et on l'a fait Bon, le, tout premier concert qu'on a fait, mhm. c'était avec ça, on s'est débrouillé, on a dit donc pourquoi ne pas se déplacer, aller à Niamey, mhm. enregistrer quelques sons. Donc, arrivé à Niamey, on a fait quelques deux sons. Au retour à Ottawa, mhm. et on nous a proposé le DJ Big S de Connie. Donc, euh, d'aller les voir, il est bon. Donc on a essayé aussi des choses avec... Donc à un mot, on peut dire que c'est de l'autoproduction. Vous êtes produit vous-même avec euh, vos propres fonds, vos propres mois, avec l'appui bien évidemment euh, des amis et de la famille, c'est ça Justement, donc, Super. Alors le premier album, c'était quoi déjà le premier album Le titre, c'est Rendez-vous. Rendez-vous, un album de combien de titres déjà De 17 titres. Euh, alors aujourd'hui, je voudrais avoir un message. Un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne un message à l'endroit des parents, un message à l'endroit de tout le monde pour qu'on puisse vous accompagner, pour qu'on puisse faire rayonner la culture nigérienne via la musique urbaine. Nous t'écoutons, Tiblaza. Et je veux ce message en Aoussa, s'il te plaît. Nous sommes à Tawa, Birne Adar, D'accord. Et eh, message wanda ke gare kaman wanda zani ma masoya da masu sauraren mu yara da maiya e, eh, ni flow naku ne ni flow na kowa ne kuma saboda ku muke yi domin ku kuma niger ta mu ce mu duka niger ta ku ce niger ta mu ce ku kama ma 'yan ƙasa ku ku kama muna saka yiwuwa muna da wani abun da muka so mu gwada muku shi kusan shi wanda har yanzu ba mu cin wurin ba. Mai sanuwa hankali e tare da haɗin kanku da ƙwarin ku mu kuma da abun da Allah ya ba mu a iyawa ta mu a cikin aiki a sannu-sannu insha Allah za mu ba ku mamaki. Za a ba da mamaki. Eh, finir cette émission avec un son parce que tu sais que le processus est déjà hein, déclenché, la machine est lancée, le processus uh-huh. électoral. Et je sais que vous avez pensé à un truc, hein. vous avez certainement un son sur ce processus, sur les élections. C'est avec ça que nous allons finir cette émission. Je veux un acapella. Je veux un son sur les élections pour conscientiser la jeunesse nigérienne. Hattara des élections.

Des abos, tout le monde Merci, Tim Blaza. Sur l'émission Tous à la Fadasté, la formation Niflo. Bah, nous vous demandons, mesdames et messieurs, de rester en compagnie du programme du studio Kalangu. C'est pour vous dire que l'émission Tous à la Fada, dans un instant, la suite. Hey. On revient à la FADA avec nos jeunes de la ville d'Ottawa. Aujourd'hui, il est question de la consommation des stupes des jeunes au sein de la jeunesse. Comment y faire face La contribution des jeunes dans la lutte contre cette consommation des stupéfiants, on en parle aujourd'hui à la FADA avec Mokhtar Moussa. Nous sommes avec Idi Barmou, Julien Issoufou, étudiant, Abdul Wahab, Mamar Moussa, il est enseignant. Abdul Wahab, ça va Ça va très bien. je jeune au Kain au responsabilité on to wallahi talo iga eh, ouais bora mhm. jene jene sintene eh, gon talo gina ok à mon avis jene no gon talo parce que il s'adonne à des pratiques illicites ne bai kan to haya kun haya ganji pourtant igo furara sans cesse parce que agode plaire no stepi dumi dumi dumi dumi kunu kalwa kan me borg bai kai jarewo bors ba ba'i o borg bai mu kan hayo stense borg bai mu dai ka se ni ga no se da hay kulkan gi da. bor kulkan din go ga han berandi mai wadi yan kul pratique yan no man to imne bor se kan se pabo bon wa wa to so ngai mo hay kan gogi candig dara hmm. you know photo asiye kala borai borai kan gi him ga goida peut me da me mati jene hinne parce que son jeune est dénigré au Gassambou généralement mais c'est pas seulement les jeunes qui prennent ça ouais. il y a aussi des cadres qui qui qui en prennent donc harka agodega chakuleno ouais exemple hanu siguno ingay mo italo no ti gomnanto bore italo kan ay diyan oga ihim ga jene o reinsere reinsere no socialement to son arango jene mm. faut arangote wallahi irgo na ngote aran se kango na kulga hay kulkan si bori bora se irgi Il bora disi adi abo irgi bora fondai fondai kan borgo tege reisir bati bani chauno irko te ti te retrouve dans la rue masine si nous ne fonda pratique ay gana di di solution ya han ne ka dai din han parce que tu n'as pas de

vraiment iro iro no dai gati san no dai kwa sensibilisation o din dini nyai zakan goga te asiga bori nigi hinga salanga se kan manti manti yanjera manti lakkal tunaira manti bintu naira kwa nigi bora keno nim fahaman da se filana wone wo kan ni goga te mabayya kin ya kin no gati a wone kon sai kan sai kan aga hayo ni sai da kan aga hayi ni sai da yanga matkan son da wani kyalawo ni ki abdulwahab mhm. ane talo iga faino a wo gini gidi kan talo bayan okulu. kulu o gwamnati goga tangam furke imu duga du imu ni bonza amma talo wa koi ga gune mai manno a goga funu manno taba lalawo wal manno komprime mai woki goga ci manna <laughs> goga funu hunkuni hina kai ni koi gina yin gima gina yedin dumo jere ga frontier darun dai ga furan dai hawa ya inga no kan dai to son ne wotawa structure yango kango mise en place pour prendre en charge ces cas. Comment se passe la prise en charge ici Il y a une prise en charge spéciale qu'on fait Il y a un centre où je ne sais pas, dites-moi, vous en connaissez vous Oui. Ah ah. Pratiquement à Tawa. À Tawa. Mhm. Hmm. À ma connaissance, il n'existe pas de, centre spécialement dit pour pouvoir désintoxiquer un jeune ou bien des centres d'accompagnement de prise en charge, il n'y a pas. Oui, de prise en charge. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais quand vous partez à l'hôpital, c'est directement la psychiatrie. Donc moi, je me dis qu'il devrait y avoir des moyens intermédiaires pour pouvoir récupérer ou bien désintoxiquer quelque part. Des centres réellement qui sont de prise en charge réellement de ces cas-là. S'il faudrait attendre jusqu'à ce que la personne soit détraquée pour être prise en charge, alors c'est grave. Et surtout, nous parlons là de nos petits frères, de nos enfants. Donc la question, elle est très proche. Donc vraiment, au vu de l'ampleur que ce phénomène est en train de prendre, il devrait y avoir des structures qui portent un œil réellement sur euh, cette question réellement de désintoxication, de récupération et au-delà, avant même ces structures, de la même façon dont on a eu à mettre des questions taboues à l'école, telles que la question de la sexualité par exemple, à l'école chez nos jeunes, par des spots, on devrait aussi prendre ce phénomène et intégrer cela réellement dans les différents spots qui sont passés aux jeunes pour les sensibiliser. Oui, trouver des approches qui vont faire en sorte que les jeunes qui sont tentés, très souvent tentés par la question, de pouvoir les duciader à travers ces spots-là, à travers ces, campagnes-là de sensibilisation. De la même façon dont on l'a fait pour le VIH, pour tout ce qui est des questions dont nos sociétés considèrent comme tabou. Question à faudrait prendre à bras le corps. Oui. Mais comme vous le savez, il n'y a pas Katawa. Cette consommation des stupéfiants, c'est partout au Niger. On va écouter ce reportage de Mohamed Maman. Il nous dresse ici la situation à Agadez et comment les autorités de la région ont pris cette question en charge. On l'écoute et on se retrouve juste après. Des élèves qui fument de la drogue et de la chicha en plein cours dans les écoles, c'est la raison qui a motivé le comité exécutif des élèves du CS Moussa Germain d'Agadez à organiser cette conférence, a expliqué Zakari Idi Abdulkarim, SG du comité. Pendant cette année, nous avons constaté que vraiment il y a des élèves qui s'intéressent à ces produits. Nous savons très bien que la chicha, les drogues comprimées ou bien le produit à ce n'est pas une bonne chose. Raison pour laquelle nous, le comité nous avons jugé utile vraiment d'organiser cette conférence. Plusieurs aspects liés aux conséquences des stupéfiants ont été expliqués aux élèves par les conférenciers. Soumaïla Aruna, l'un des conférenciers. On a parlé de ce que c'est que les stupéfiants, les drogues commencent à agir sur euh, l'organisme, la dépendance que cela amène au niveau de l'organisme et au niveau des conséquences que cela aussi peut engendrer. Parce que les conséquences psychologiques, ça peut entraîner jusqu'à la folie. Cette conférence peut mener un changement de comportement à milieu scolaire, selon Shamsia Issa, élève en classe de 3e D au CS Moussa Momoni Germakoy. Oui, cette conférence peut changer quelque chose pour que nos amis puissent aussi laisser ces mauvaises choses. Ça cause des effets comme parfois on perd la tête avant de finir ses études et on fait des choses délinquantes. Pour cela, il faut éviter de consommer. De nos jours, ce phénomène de la consommation de stupéfiants prend de l'ampleur dans la commune de l'Aïr, notamment chez les jeunes filles et garçons oh ni eh, dai kan kwara eh, gin funai gote dangare agar sone o kango kango dai kango tangam eh kwaye wo wo bon kan furta ni gote ni wo ifoni gote lalle ba ne irwana jin irgine tangam gumo gumo boda zama on kun ba patirio bun kan yigite hmm. kan police yigite igidi igidu jeune bo kango avant de poursuivre euh, cette émission avec ces jeunes, aujourd'hui à la FADA, on parle consommation stupéfiante par la jeunesse d'Ottawa. On va aller en musique. Cette fois-ci, vous allez me proposer un truc. Un truc qu'on peut mettre, une musique qui vous plaît pour changer un peu.

Non, non, non, stop à la ganja boy. Mais c'est pas moi que je ganja boy. Il faut changer pour ta Oui, moi je vis dans les ghettos boy. Là-bas la vie est dure, qu'est pas du gâteau. Every time on se couche tard. Alors il est difficile qu'on se lève, oh boy. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent, oh boy. Mais lève-toi, on pas toi Ne tue pas, ne vole pas, ne fume pas. Oh non, non, oh oui. Non, non, non, stop à la ganja, boy. Ne sais pas moi que ma fonda, boy. Il faut changer, faut pas oui. Non, non, non, stop à la ganja, boy. Ne sais pas moi que ma femme Zulay Masayno, Hemingano Filana, Hankato, Hekapano, Kwara, Sintakarda, Filana, Nikuku, Hefo, Hekizo, Nibon, Diximosu, Kansete, Janele, Boba, Bezebugin, Haounye, Zegugin, Ganchen, Ikari, Katosuru. Hey, vas-y, arrête un peu là.

mamar musa moktar musa voilà. Inde nogo fakara wote son ay hayen ko koranta haye wo kulki wote sensibilisation e wo lutte e parce que man tun goyo wo sinti il faut se dayno aya asig marché qu'est-ce pourquoi ça ne marche pas quand se dise les quatre vérités ay go hangani c'est Moussa. musa eto matakan da yake no kwa mm. kan sai a sigi marshe giti haiwa da ni mu ga gune zabe na no mata no agoga te ga furo zama di goga lite no am furo yan wose i goga lite nan ga doro oh. go nan gufo safaro go nan gufo doro vala doro go nan gufo safaro go nan gufo okay ya dinga mata no i goga te i goga lite amma bore kan yan wani din igidi igita imene ina zambar zambari hinka zambar hinza wani ta ifo difo yan wadi yawo hina kai ni koyeno kan yan gidai dai mm. fondara to so im mm. gun gidi bore di kan gidai dai fondara bore kan yan gonda saku saku mata no inga yiwo ido harai kota wal man ti imata ni ga im ko im ye ga nere bor fose koyne pur a rishir kelke wadi ro kulu har yan no kan yan gannan ba igo gatan ga mama ga wadin dumo wa asihin ga ba to ai miye kaniga julien ni diyanga il faut des hmm, Moi, je dirais que une campagne de sensibilisation serait mieux. Parce que. On en a fait plein déjà. Depuis plein d'années. On est là-dessus, on est là-dessus. Et... On continue de faire, on continue de ah. faire. Il me Parce que la jeunesse, l'âge de la de eh, l'adolescence, eh, c'est un âge comme on a coutume de le dire bête l'enfant il est là ou bien le jeune il est là, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais à travers beaucoup de sensibilisation, un jour il va se dire que voilà, est-ce que je ne vais pas arrêter Parce que j'ai beaucoup fait à travers les sensibilisations. Sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation, l'a dit Julien. Qui a une autre idée encore Oui, moi j'irai encore plus loin dans le mhm. cadre de cette sensibilisation. Ok. Il faudrait comprendre parce que moi je parle encore de cette jeunesse encore qui n'est pas en âge de raison. Mmh, parce mmh, que mmh. c'est là réellement le danger, qui n'est pas encore en âge de raison. Et en termes de sensibilisation, il faut comprendre que nous sommes jeunes. Nous sommes suffisamment proches de nos frères pour pouvoir comprendre les situations dans lesquelles ils se retrouvent plus que les parents. Donc c'est à nous de pouvoir lancer un message dans ce sens-là. Et en tant que jeunes, nous voyons aujourd'hui, on parle de jeunesse consciente, mais il faudrait qu'on soit euh, une jeunesse agissante. Aujourd'hui, les clips qui partent de, de part et d'autre qui circulent dans nos fonds ou bien qu'on est en train de promouvoir à la télé, souvent nationale, font éloge de ces choses-là. Donc, il faudrait aussi que, voilà, exactement, que qu'on puisse regarder réellement qu'est-ce qu'on est en train de projeter à cette jeunesse réellement qui n'est pas encore en âge de comprendre ce qui se passe. Cette image-là compte beaucoup. Donc, il faudrait réellement qu'on contrôle ce qu'on est en train de véhiculer comme message, les comportements qu'on pose, parce que pour eux, c'est ça la belle vie vous êtes une star quelque part, donc il faudrait euh, avoir des comportements donc, responsables. plus de vigilance, plus de vigilance, plus de vigilance. On a eu euh, plein de solutions, plein de pistes proposées ici par les jeunes. Donc, avant de mettre un point final à cette, à cette discussion des jeunes sur la FADA, on va accueillir Miss Oli. Oli, Olivier, on attend la chronique, on a plus de la chronique. La chronique, la chronique. D'Olivier. La chronique. D'Olivier. La chronique. D'Olivier. Ah, enfin, la dernière chronique de la région de Tawa. Ah ben oui, merci à, Tawa, merci à tous ces gars qui étaient avec nous depuis le début. De tout cœur. Euh, hein. Vraiment, c'est beaucoup de joie pour nous de savoir qu'on a des gens qui comptent sur nous et pour qui on compte. C'est ça l'important. ouais. ouais. Ah alors, amis de la Fada, revenons-en à la chronique, n'est-ce pas, Ravi Oui, Oli. Eh bien, chronique politique ce soir. Ok, c'est le moment. C'est tendance. Super. Le 13 novembre, la Cour constitutionnelle du Niger a publié la liste des candidats à l'élection présidentielle de décembre 2020. Le mhm. premier constat qui peut être fait à ce niveau est que les élections du 27 décembre verront la participation de 30 candidats en lice, ce qui n'est pas surprenant au regard du nombre important des partis politiques créés ces dix dernières années et l'avènement de beaucoup d'acteurs ambitieux sur la scène politique nigérienne, notamment des jeunes. En effet, dans leur majorité, ces candidats sont à leur première participation, ce qui démontre tous l'intérêt et les enjeux liés à ces élections avec l'arrivée de plusieurs acteurs nouveaux sur le paysage politique nigérien. Bien que certains d'entre eux aient une expérience euh, des élections du fait de leur appartenance à des grandes formations politiques dans le passé. Cependant, parmi les candidats en lice, il n'y a aucune femme d'ailleurs. La seule qui s'est présentée à une élection présidentielle au Niger date de 2011. On se demanderait bah, quelle serait la tête des organisations qui travaillent pour que les femmes soient beaucoup plus émancipées et surtout bah, au niveau des femmes. Rabine, ça n'a pas été choqué quand tu as vu parmi les candidats, il n'y a pas eu de candidate Jusque-là, là, ça me choque. Je sais juste pas comment faire. Ah bon, hmm. on espère bien pour les prochaines échéances. On espère. Allez, aussi, le candidat Maman Ousmane est le doyen de tous les candidats de fait de sa participation à toutes les élections présidentielles organisées au Niger sous la bannière de la CDS Rahama de 1993 à 2011, MNRD Hankouri en 2016 et RDR Tchandi en 2020. Il est à relever également que pour la première fois de son histoire, le parti au pouvoir PNDS Taria présente un candidat autre que Mahamadou Issoufou au présidentiel en la personne de M. Mohamed Bazoum. Autre chose, la CDS Rahamam qui a présenté des candidats à toutes les élections présidentielles, est le grand absent pour ces élections de 2020, car n'ayant pas pu présenter un candidat pour la première fois, il en est de même pour le parti RSD Gaskia de Chefou Amadou, qui depuis sa création a participé aux différents scrutins présidentiels, sauf pour 2020. Le parti ANDP Zamanlaya, quant à lui, présente une candidature autre que celle issue de la famille Dermakoy. Ok. Ah oui, tout reste croisé qu'il y aura une reconfiguration. Tout reste à bah, tout reste à croire, tout reste croisé, nanani, nanana, tout reste à croire quand même, <laughs> qu'il y aura une reconfiguration, voire une recomposition du paysage politique avec l'avènement de beaucoup d'acteurs sur la scène politique et le nombre important des candidats enregistrés pour les différents scrutins. L'un des gros absents de ce scrutin présidentiel, il s'agit de Hama Amadou de la formation politique moderne Falumana. Bonne chance à tous les candidats, que Dieu nous aide à faire le meilleur choix et surtout, merci à Kader Namata Issa, membre de l'AJDP, qui a suggéré cette chronique. Merci à toi, frère Big Merci, merci Olivier. Bonne chance à tous les candidats. On va se dire au revoir euh, sur euh, cette fada. Consommation stupe par les jeunes d'Ottawa. On était avec les jeunes d'Ottawa. C'est la dernière fada <laughs> de cette région. Euh, c'est un problème, selon ces jeunes, qui doit être on espère que bah, on reviendra, bien sûr. On espère qu'on reviendra. voilà, ces jeunes l'ont bien dit. C'est un problème qui doit être pris à bras le corps. Il faut en parler. Il faut aller en sensibilisation, plus de vigilance. Jeune, igba, salo. Problème igba imaguna mburi. Tant, imhimo dongumo, lutora on va se dire bye bye. Salut tout le monde. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions sur nos émissions sur le 80 06 à 54.